la consommation de drogue elle est assez importante, en témoigne les cas que nous rencontrons chaque jour que Dieu fait dans les rues, en témoigne les saisies qui sont opérées au niveau des frontières, euh, en témoigne à chaque descente de la police dans des lieux de consommation, dans les ghettos, les saisies que la police fait nous montrent que la consommation de drogue est assez importante. Oui, c'est la tranche jeune qui est, la, plus, concernée. En témoigne... Euh, les services du procureur, ceux qui sont arrêtés pour consommation, pour détention, pour vente, c'est la tranche jeune entre, euh, ou bon, je peux extrapoler, entre 15 et 40 ans. Donc, on considère que c'est la population jeune qui est la plus touchée. Et je vous parle en fonction des, interpellations de, la police, en fonction des chiffres que vous pouvez avoir chez le bureau du, procureur. C'est les jeunes qui sont les plus concernés. et même quand vous voyez dans les rues euh, ce qu'on trouve, euh, les sans-abri qui sont liés à la consommation de drogue, vous avez plus la tranche de la population jeune que n'importe quelle autre euh, tranche. L'impact, elle est visible. En témoigne la, criminalité qu'il y a à Niamey. Beaucoup de choses, beaucoup d'agressions, beaucoup de... La, délinquance, comment on appelle, dans la ville de Niamey, elle est liée à ce problèmes de, consommation de drogue. Un. Et, même euh, les problèmes liés à la santé mentale des jeunes, il y, en a, vous trouvez aujourd'hui au niveau du, pavillon E et quelques cliniques de la place qui s'occupent des questions d'addiction. Vous trouvez que ça, a une véritable euh, euh, ampleur sur, ces jeunes. Ça, c'est un. Et deux, c'est moi aujourd'hui le, travail de sexe qui se développe dans la ville de Niamey. Il savons que la, drogue entraîne l'accoutumance, la drogue entraîne la dépendance. Et quand on devient dépendant à la drogue, quand on devient addict à un produit, euh, on est tenté de l'avoir à tout moment. Alors, euh, dans, dans, le, le parcours de, de, la recherche du, produit, souvent on livre son corps pour avoir ce produit-là. Et c'est ce que vous remarquez qu'il y a aujourd'hui plein de jeunes qui se donnent au travail de sexe qui ne sont pas des, professionnels de sexe, mais c'est parce qu'ils sont accros à la drogue. Et pour trouver cette drogue-là, elles sont obligées. Et là, je parle plus de, la tranche féminine, je parle plus des, jeunes filles qui deviennent accros aujourd'hui à une nouvelle drogue qu'on appelle le crack. Et qui sont obligées de vendre leur corps, qui sont obligées de faire le travail de sexe pour avoir euh, cette drogue-là.